à droite des day jouer sans problème. Mhm. mais moom pour moom fa la war améliorer quoi mon maanaam vous fekkoon am na lu mu war a ci saison bu bees bi. parce que instant yii mën na dribbler maa ngi na vitesse. Mhm. lan la war a quoi pour niveau bi mu bëgg yeeg mu yegg fa pour pour pour que am amélioration dans ce jeu. selon toi moom fa la war a yokk footballam quoi fa la war a yokk maanaam ay buts la war a yokk xam nga donc ay passes la xam nga donc fa la war a ci jeu quoi. Euh, bon Akoy be il pour que Poste Milan. il briller pour. paso si sonia biolu ila fta pour kafu comme saison pour wol se kafu no ñamin sa itla fta be be be pour si wol kafu no ñamin pasel pasol ni ka assistential plus min pour kafu sa hakilo mon mura posto mi ala si no je kenek pues es jugando a la izquierda donde puedo estar más tranquilo, más cómodo, más libertad, donde puedo hacer pases, goles, ayudar al equipo, es donde me siento yo más cómodo. Dice, que la saison prochaine, dit, lui, euh, pour pour goal, ak, ak assistance passe, gauche. liberté. pour yo, def

expliqué que par rapport au championnat Espagne bi xamantene ne newoon na fa nee na foofu moo tactique jeu le mais euh, par rapport au niveau il ferait nee na football fépp am niveau donc que ça soit championnat il ferait que ça soit Espagne fépp am niveau mais donc mom si gauche bi lay gën a à l'aise maintenant dañuy dem si si si ambition yi parce que comme jour yep da ngeen gis ne boo un championnat di nga bëgg a ben championnat toj léegi mom tay di si ay ambition yu xamantene ay objectifs yu xamantene ne fixé na fi da ko fixé wu euh, lan moy ay objectifs am si saison bu bess bi. bon. Euh, a ko san ye i la i taara hakili to min b'i bolo i be saison min to tan i ka jouer daa min to tan comme i be jeli to championnat na kono yo i e lafita mun na i la i lafita pour ka fura mun dɔl to i la hakkilo mun na kan jankola la comme ni ye ɲin club dɔl soto hakkilo be min kan i bɛ taa to ɲaami i lafita taa la mun comme i la hakkilo be min to dɔn itala tila ŋani min ti pour ka futa i la football futa bawo jan i e bijane pour ka jouer Pues el objetivo que tengo este año es poder cumplir el objetivo de poder ayudar a mi equipo, eh, meter máximos goles poder llegar a Europa League o a Champions League, que es el objetivo del club este año, es lo que han marcado. Y pues después de eso, pues obviamente que quiero salir y buscar otro destino. ir a, las ligas más difíciles. Por ejemplo, me gusta España, pero quiero jugar la Premier League, obviamente. Para mí es la mejor liga del mundo, sinceramente. Y mi objetivo es poder salir lo más rápido posible este año. E irme para la premia, si se puede, claro, si hay suerte. Mm que lui, son es continuar a trabajar con avec son y llegar -hmm. arriver jusqu'à la champion, s'il peut. que, à part tout ça, d'aller dans les grands clubs. Mhm. Lui aussi, c'est ce qu'il a dans son espion. Mhm. Même comme l'Espagne, le championnats espagnols le championnat Angleterre, mhm. France, tout. Les grands clubs, lui aussi, il vont sortir pour aller dans les grands clubs pour jouer là-bas. Les championnats les plus difficiles, tout ça, c'est c'est ce qu'il veut. Mais de même, pour le moment, comme c'est là-bas il joue, il veut travailler avec son équipe Mhm. pour arriver son équipe à mhm. un autre niveau. Mhm. Euh, que, comme euh, Europe League, comme Ligue des Champions et tout ça. C'est ce qu'il a dans son intention. Et, après, il peut sortir pour aller dans les grands clubs. C'est ce qu'il veut. Il veut travailler. Même cette année même, s'il a un club, il va partir. Mais ce qu'il veut. Pour le moment, il est dans son équipe et il veut jouer là-bas, il veut travailler avec son équipe pour aider à mettre goal, à mettre les passes, à faire tout mhm. pour que son équipe-là y arrive à un haut niveau. Mhm. c'est ce qu'ils veulent. Mhm. donc à peu près donc a euh, une ambition une semaine internet donc on a une ambition de jouer Europa League euh, Ligue des champions pour mënoon am un championnat aussi que ça soit la Ligue 1 française Premier League comme la Liga espagnole. maintenant faut bëgg concentrer le club pour l'instant. donc si toutefois nag mu am fi offre bu baax. Mm. bu crédible pour na changer de club donc c'est des ambitions franchement c'est assez intéressant donc le nekk si jeexitalu émission bi donc je que le wax tey jii bu fekkoon message bu vous bëgg lancer suñu coach Aliou Cissé parce que parce que chaîne bi c'est assez euh, visité par par le coach souvent donc vous fekkoon am na benn message bu mu envoyer a envoyé Aliou Cissé ak sénégalais là, lan lay doon. kosaye iteme mbela hakkilo to komo min ketanna entraîneur te aliou sisé ani sénégalais be sénégal banko molu e muna bela hakkilo to ñanta kuma kaw min dila sénégalais la ila hakkilo to ila sewoto say fono bueno pues lo que puedo decir de Luis Hice en plan yo creo que es darle las gracias en plan espero que siga siendo el entrenador de, Senegal porque a Luis Hice cuando llegó sinceramente hay que ser sincero Senegal tenía un buen equipo pero es le faltaban muchas cosas y con Ali Suisse han cambiado un montón. Pues Podemos decir gracias a él Senegal estuvo su primera Copa de África después de no sé cuántos años. Aunque, y, aparte jugó dos finales seguidas. Pues es un, entrenador muy grande, sinceramente. Y para mí se merece seguir a la, selección. Y lo que le puedo decir a la gente de Senegal, a los, a los fans, todo eso, toda esa gente, pues que en vez de criticar, que apoyen cuando estamos juntos, cuando un país está juntos y vamos todos a una, las cosas salen muchísimo mejor. Pero si nos separamos, otro salió dice otro, no sé quién, es muy difícil que vaya así. Así que os pido por favor que dejéis a Luis sé que siga trabajando con la selección, porque se lo, se lo ha merecido y se lo ha ganado desde el principio. Solo pido eso, no tengo nada más que decir. Bon, et que lui, il remercie Aliou Sissé, remercie tous les Sénégalais aussi. Mhm. Bon, euh, pour le cas d'Aliou Sissé, il sait que c'est un grand entraîneur. Mhm. Même euh, Sénégal, avant qu'il vienne, Sénégal était, il avait une, grande sélection. Mhm. Puis quand Aliou est venu, il a augmenté, il a changé. Il y avait tout ce qui qu'il n'avait pas. Il a augmenté la sélection, il a mm-hmm. réglé tous les problèmes qu'il y a, mm-hmm. jusqu'à, grâce à, Dieu, le mm-hmm. Sénégal arrivé à avoir la Coupe d'Afrique et qu'on est en train de chercher dans les années. Vraiment, et je remercie beaucoup Alexis et tous son entournement. Bon, il remercie tous les Sénégalais aussi. Puis il demande les Sénégalais pour qu'on.

Il n'y a pas de rien à dire, quoi. Il n'y a rien à dire pour ça. Donc, bon, je pense que c'est assez clair. Donc, euh, le coach, si, vous voulez qu'il y a une suivre, Khamal euh, Boubacar Sadik d'abord rêve de l'équipe nationale du Sénégal, il a du talent, il a amené des qualités assez intéressant il a intéressé. Et on sait qu'en équipe nationale du Sénégal, donc, il manque des joueurs assez explosifs, assez dribbleurs, assez des joueurs qui euh, parce que Zanri Boubakari, c'est le genre de joueur qui euh, Jaral na tay di nga am sa ben xaliss sa ben 10000 mu leer na ne stade am na nga dem seetaan man genre genre jour yi ñoo ma neex xam nga donc man jour nekkal Real Madrid si t'es pas mu bu fekkee mënoo ma bégal comme ça ni mu mel comme Robinho bi mu bëgg noonu Cristiano Ronaldo Lionel Messi euh, j'en passe donc euh, franchement euh, kontaan trop am ak moom interview bi en espérant que donc d'ici un an. mu mu des toj def fi ay prestations yu am solo pourquoi pas am un autre championnat loolu laa koy ñaanal. et qui sait xam donc en équipe nationale du Sénégal faut rêver C'est bien possible en tout cas mbégte laa amoon am ak yéen interview euh, dama leen di bàyyi dernier kàddu gi lan la que ça soit le père que ça soit yow lan mooy dernier kàddu gi. bon euh, je vais parler ça en quelques mots parce que c'est pas facile. Il n'y a pas de souci. C'est pas facile, surtout nous. Moi, je suis mandin. Mhm. Euh, bon n euh, bɛ molu bɛɛ kɔntɔn na n bɛ senegali bɛɛ kɔntɔn na n kɔntan tabak euh, pour kana jan ka sijan ka nin dimbaye na jan nin baɲolu ka ka ka ɲinin ka kuma la alamu vraiment intérêt sɔrɔ ba mhm. yo n se wota ita fana na k'a la min kɛta mohamɛd ti mhm. n se wota sen tv la mhm. yo n bɛ molu bɛɛ na n bɛ senegali bɛɛ na

man sama olof leerul loolu. leerul na ko interviste bi. Mhm. mun na nekk am na lu ñu wax. Mhm. peut-être yow li ngay wax man tontu ma loolu. Mhm. tout sa ça se comprend pour dëkk la quoi. dëgg ma bu baax olof. mais damay wax li may dekk tuuti. pour gars yi ñu mën a comprendre. damay ñaan sénégalais yëpp. ma yokk ñaan ñaan ñu nekk benn. vraiment kontaan na kontaan na ma ñëw fi toog tamit. waxtaan ak yéen.

¿Tú puedes hablar castellano, mandinga? Ah, bueno, lo digo mm. castellano. Eh, mandinga o, español. Mm. Bueno, lo primero de todos es darle las gracias al entrevistador y le doy las gracias por darme en plan esa oportunidad de hacer la entrevista para que me viera el mundo y pues puedo decir también que le sigan porque gracias a él hay muchos talentos en el mundo que no lo sabíamos y gracias a él todos están saliendo, todo el mundo lo están viendo. Y nada, quiero darle muchas gracias y aparte también le traigo un regalo de mi equipo para dárselo. Y nada, pues... A ver, ah, Merci, merci. maa bi euh, kontaan naa si waxal ma ka nekk bon naa sol wax ko Aliou Cissé mu convaincu waxal ma donc euh, merci à vous merci déjà si déplacement bi mm-hmm. donc Adine euh, moom souvent damay wax ni lépp lu xamante ne koy def nga am ci gëm-gëm rek suñu borom la jàppale donc euh, merci déjà les gestes bu ma rafetlu la mm-hmm. et je vais continuer à suivre Boubacar xam donc proposer ay prestations et mën ngeen yaakaar ci man donc lépp lu xamante ne def na pour que moi am plus de visibilité au Sénégal pour Sénégalais yi xam kii Boubacar incha allah dinaa taxaw di wax merci merci vraiment kontaan naa remercier tamit toute l'équipe équipe derrière la caméra que ce soit Matar que ce soit Zela toute l'équipe xam donc euh, ba si Semedo un latéral bu may caméra à côté donc euh, merci à vous merci carrément si si interview bi donc content na trop donc espérons aussi tamit d'ici deux ans euh, donc mu gën explosif et pourquoi pas amad benen interview et pourquoi pas sax mën ma fi fii def ak interview Inch'Allah, lola loolu ñaan donc merci à vous sama mon yi li moo kon interview avec Boubacar euh, Dabo boy mon mën football lool Euh, Malen ñaax donc sur YouTube ay vidéo moo ngi fa continuer de suivre le boy ça peut être très intéressant pour l'équipe nationale du Sénégal TV